le PASTEF jàll exactement à l'étape euh, supérieure exactement Serigne alors euh, plainte bi nak jib na yóbbu neen si yoon ki nga xam que mu di euh, Bart Bougane ak ki nga xam que mu exactement alors nga ban jang nga dal def justement ci plainte bu PASTEF bi nga déposé waat récemment aussi beaucoup ko aussi déposé aussi une plainte contre ki n'a xam que mu di Anta Babacar c'est la voie la plus légale nak saisir d'abord les institutions de la République hmm. Parce que le Sénégal, quoi que l'on puisse dire, le Sénégal, quand même, a des institutions qui peuvent bel et bien régler certaines situations. Non, pas del Tukinao. Mais il faut dire si voie est légal. Parce que la violence, ak nous mënu tol, kenn du ko cautionner. Démb woote dama hmm. la violence ak nous mu non, toll non non wootewul violence de. gasta gasta. de non riposte la woote. Ah, résistance. la résistance est un droit si l'État a failli à sa mission régulière, régulière, hmm. de protéger les citoyens, de faire en sorte que tous les citoyens vivant sur son territoire aient accessibilité à la sécurité. en ce sens-là, en ce sens-là, s'il y a un citoyen menacé hmm. sur ce territoire-là, ce citoyen-là a le droit ou bien l'obligation de se défendre. Si toutefois, l'État a failli à ses responsabilités de protéger ce citoyen-là. En ce sens-là, citoyen beau, mon autre résistance. La résistance est un droit constitutionnel, est un droit garanti par les textes, même internationaux, encadré par les conventions et les chartes internationales. La résistance ne veut pas dire inciter les gens à la violence, mais inciter les gens à la riposte. À la, riposte face à, l'agression. On doit faire très attention par rapport à, certains mots, parce qu'il y, a certains gens qui commencent à dire cela. Hein. Même dans certains statuts, j'ai vu certains gens qui disent que ces propos-là euh, ce ne sont pas des propos dignes

et on me demande fait que résistance ndax résistance egg nañ ci situation bobu <laughs> ci contexte ça devient grave quand même fallo <laughs> alors mais mais quand même euh, les, <laughs> si les autorités ont pris les devants exactement. oui est-ce que on sous-entend par là peut-être de quoi qu'on puisse sur ces nouvelles autorités euh, pour nous dire que dans sens nous allons à l'état supérieur parce que nous ni euh, aussi ministre Nous exactement euh, sa démission si toutefois d'autres d'autres est-ce que après que mm, exactement si ministre de l'intérieur mais mais xam nga pas ah, hmm. Au sein de PASTIF, c'est la liberté d'expression. Au sein de PASTIF, c'est la liberté d'expression. PASTIF, dans PASTIF il y a des gens, quand ils ne sont pas d'accord sur le fonctionnement de l'État, ils le disent. Sans gants, hein, ils le disent. Hmm. Hmm. Tu as vu Ils sont de la nomination de Sam beaucoup de gens se sont révoltés contre cette décision cette nomination là des cadres de Pastef avec le ministre de l'intérieur qui a été choisi textuellement par le premier ministre Ousmane Sonko le leader hmm. Il y a certains gens il il hmm. même revendiqué sa démission Comme nga ça veut dire encore une fois le niveau d'expression le niveau de démocratie qui existe au sein du parti PASTEF mais l'alpha ce que je peux vous dire c'est lola l'état a failli d'une part parce que chaque candidat chaque candidat hein, a le droit d'être protégé et encadré jusqu'au début campagne bi fin campagne ah, léegi nak état bu manqué loolu moy l' fayine à sa mission. alors mi ngi exactement. par rapport ak euh, li nga xamné que modi ce qu'on pouvait retenir euh, diggante ak événement yi euh, dem ak tay ma fatil aussi li nga xamné que modi di Pastef porte na plainte si kanam yoon ak wàllu yoonal contre Bougane Gueye Dany Mansour Faye ak ki nga xam que modi justement euh Barthélémy Diaz mais Serigne hmm, Bougane n'est-ce pas Saint-Louis deuk ma so fay deuk Saint-Louis ñuy seetaan lii fa am. ah mais gaañ ay doomu Saint-Louis. ah mais gis nga loolu. en fait. waaw loolu moom euh, rafetul euh, suggestion moom paradoxe lay doon. mais mais c'est que moo ñu warul yóbbu si yenn dimension yi rek mm, Fallou. Mm. politique waruñu yóbbu si yenn degré mooy li ma wax degré mm. d'anime tey est-ce que xam nga politique gu Sénégal divisé na ay kër. féewale na papa ak doom féewale na mag ak rak féewale na xarit ay xarit yu daan ànd politique gu Sénégal tas na ay sëy Qui day qui fi qui far fi politique au Sénégal def na maintenant nous les victimes des politiques notre responsabilité dans ça est-ce qu'on doit continuer à suivre aveuglement les hommes mmh. politiques par rapport à ce ay bëgg-bëgg wala sen ay non mmh. non du ko jar malheureusement Sénégal et bris ils ne font que suivre hmm. ces hommes politiques là sans autant ouvrir les yeux grandement. Hmm. alors exactement c'est nga alors exactement C'est une analyse pertinente euh, si la politique ak li nga que exactement alors ma aussi les euh, gardes de de Barthélemy Diaz déglu na leen exactement euh, ginnaaw ba leen daal di jàppee toll na si li nga xam ne que moo di personnes exactement ñi nga xam ne itam ñoote si dal see daal di laale sabab di agression euh, bokk na entre autres sax même les éléments de takk wàllu ñu ngi si passif dépose na plainte ñu daal jàll itam si beneen dossier ginnaaw li nga xam ne